on a dû diminuer l'heure, donc tu vois. D'accord, ok. On tu vois. Mm ouais, mais ça fait un plaisir de venir ici, de partager ce plateau avec vous, King FM. C'est c'est un honneur ce matin parce que c'est quelque chose qu'on suit depuis un bon bout de temps. Mm-hmm. On voit ce que vous faites, c'est quelque chose de génial. Merci beaucoup. Donc c'est tout ça, c'est des choses qui s'investissent dans pour la bonne marche de la musique sénégalaise. C'est quelque chose qu'on a besoin de ces genres de choses. D'accord. Tinsia, c'est énorme. <laughs> ouais, c'est cool, hein, quand Bien même. Ouais, ouais. This Donc, was Jaman, Sang of Liberation. I'm the number one champion from XPWS. Yeah. you know me. <laughs> Cher, ah. you know him. <laughs> Alors, euh, vous allez vous présenter aux auditeurs ouais. parce que voilà, par rapport ouais, aux voix, pour qu'ils puissent vous identifier. Moi, c'est King Salomon. Hein. Ok. C'est King Salomon. Mm -hmm. Donc, je dis bonjour à tout le monde. Ouais. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices donc, euh, de la radio King FM. Mhm. Et comme l'a dit, le dit, Diamond aussi, chapeau. Mhm. Donc, euh, sur tout ce que vous faites. Donc, c'est très joli le boulot. donc, on vous suit. Donc, on vous dit chapeau et on dit que Express est dans la place. Express est dans la place. ça, va être chaud. Hein. Ça va être chaud aujourd'hui. <laughs> je salue tout le monde, je salue euh, tous les auditeurs mhm. de, King Money. Oui. Et voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis fan de, cette émission. <laughs> bien vrai que je ne suis pas trop matinal, <laughs> m'égale ça. mais euh, franchement, j'adore ce que vous faites. Et voilà, vous, vous nous aidez à, mieux se décompresser euh, en plein jour, quoi, tu vois. Merci. Et voilà, donc c'est Bia mm mhm. from XPWS, Nyarem Série vous allez le comprendre en bras, les gens qui nous suivent, c'est un gars qui est de petite taille, <laughs> c'est pour cela que je me suis levé, tu vois. Alors, je, rappelle que vous êtes en direct aussi sur euh, le site internet de KingFM, hein, euh, par rapport ah. à ceux qui euh, vous regardent, des internautes. Donc, vous êtes en direct live. Donc, c'est une radio musicale et digitale. Alors, vous nous voyez là en ce moment Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, cool, hein. ouais, ouais. il joue au beau gosse là. Ah, <laughs> ouais. <laughs> Alors les filles, oui, alors moi Oui, je leur dis bienvenue. cette chanson, je l'adore, mais j'entends quelqu'un qui a une petite voix et là j'entends que des ouais, moi c'est <laughs> mais où est celui qui chante euh, en, sourdine là, celui qui a la petite voix c'est-à-dire, moi, je me métamorphose quand je veux. Waouh! à 1000%, vous avez vu? waaw waaw waaw c'était léegi maa xaw ma fu ma nekk nii dafa mel ni dama neen xaw ma fii fan la nii live and flash king affaire Ah. Donc vous ah, voyez le potentiel, les filles, le potentiel énorme. Moi, je les ai connues quand je faisais le Real One il y a combien d'années Il y a trois ah ans, c'est ça Et puis, euh, perdu de vue, quand j'ai entendu leur première chanson, j'ai kiffé. J'ai dit, ah, ça, je kiffe, ça, je kiffe ce band, je kiffe bah. le flow, je kiffe vraiment le rap Galsen. La manière dont ils le font, mhm. j'aime beaucoup. Moi, ça me parle. Et je me suis dit, Vitamin Girl, hein, le dernier, euh, si vous faites vraiment le clip, il va falloir impérativement que ça passe cette race. Bah ouais, mm. sûr. Bah ouais. <laughs> Bah, il faut, permettez-moi, je vais pas vous interrompre, mais permettez-moi, parce que, de dire quelque chose. Elle, elle fait partie des animatrices qui nous ont boosté. Boosté. Tu vois Parce que euh, nous, on venait de Durban, on était jeunes, mm-hmm. on a eu nos bacs, on faisait de la musique à Bâche. Donc, moi et celle on a partagé les, mêmes classes primaires. Donc, tu vois, nous, quand on est venu à Dakar pour s'implanter, elle, elle fait partie des, des, personnes qui nous ont boosté. Pourquoi Parce qu'un jour, on se réveille et on voit, on nous demande que, ouais, il y a Fatima qui, euh, qui écoute votre chanson et elle est amoureuse de ce tube. <laughs> Donc ça faisait de nous quelque chose de, tu vois, parce que c'était pas c'était pas n'importe qui dans la musique donc. Et on, nous on n'y croyait pas jusqu'au jour où il nous a appelé, elle nous a appelé. On était là devant elle, devant Fatimo, waouh. <laughs> dit alors c'est possible. Waouh, parce qu'après, c'était du couscous bon, qui nous a permis de. Donc il, faut, il va falloir qu'on la remercie devant tout le monde, devant mm-hmm. vous, devant King FM. C'est quelqu'un qui a, qui a participé à la bonne marche de notre groupe. Donc, Bien sûr. Ah, ouais, Chapeau. Ouais. Ah, merci. <laughs> Euh, moi, je pensais que vous étiez deux. Rerbi, qui toque Voilà, c'est vous deux. Donc le troisième, la Khameo, en fait. Mm-hmm. Ah ouais, c'est lui, c'est Selmine. Donc à la base, c'est un gars qui est, qui est dans l'ombre. Déjà, c'est, déjà, c'est un professeur de maths. Donc euh, il est un peu à l'écart, mais c'est. Il fait partie du groupe. Non, c'est, c'est, c'est, c'est le moteur du groupe. lui, c'est le gars calme qui a les lyrics qui déchirent donc, tu vois. C'est King Selmain. En fait, les, gens ont tendance à nous dire qu'on se ressemble, bras et moi. Uh-huh. Des fois, donc, quand je fais un couplet, donc, uh-huh. quand tu me regardes, tu crois que c'est bras aussi, <laughs> D'habitude, c'est ça qui fait cette confusion. Quoi. confusion. Ouais. Mais... Regarde, t'es foutu, hein. <laughs> On te dit qu'on se ressemble, t'es foutu, tu vois, comme je suis vilain, là. <laughs> si je comprends bien il y a y racine carrée au groupe delta égale x au carré plus a plus b. <coughs> non mais chacun chacun a son rôle à jouer. Hein. Chacun a mm-hmm. son rôle à jouer. Donc euh, lui c'est l'attaquant, hein. c'est lui qui marque les buts quoi. Mm-hmm. vu Donc euh, une fois que tu entends, une fois que tu entends la voix de Diamant, donc tu es, hypnotisé quoi. <laughs> Après on essaie de suivre avec des, messages puissants, mm-hmm. donc un contenu lourd. Donc c'est ça notre force, c'est ça notre philosophie. Donc euh, d'habitude c'est comme ça. Il y a Bra aussi qui est trop pertinent de mhm. ses idées, de ses, de ses, de facettes d'écriture et tout ça. Mhm. Donc c'est cette symbiose-là qui fait la force du groupe et je crois que c'est ça l'idée quoi, générale. Bravo, bravo. En bah. tout cas, moi je suis... Euh, je suis, je suis ébahie et je suis en même temps fière de voir ça parce que aujourd'hui les rappeurs, c'est un exemple que vous donnez qui montre aujourd'hui le rap va avec les études parce que vous mhm. venez de dire que vous avez tous eu le baccalauréat, d'où aujourd'hui votre facilité à vous exprimer, euh, à vous être intégré parce que vous savez que vous, vous dites que vous avez quitté Durbel très jeune, vous êtes venu et pourtant vous avez réussi à vous intégrer et je pense que tout ça c'est grâce à vos études. Et bon, vu que ici euh, dans la matinale on a le côté fun mais on a le côté euh, ludique où on apprend aux gens certaines choses. Mhm. Donc euh, aujourd'hui, vous êtes un exemple hein, de, de, voilà pour tous les jeunes qui veulent faire du rap. Vous avez fait des études et la preuve, vous avez quelqu'un dans votre groupe qui est prof de maths. Mhm. Moi, j'étais très nulle, donc euh, <laughs> tu, pourras me donner euh, quelques cours. J'étais très nulle. J'ai eu un au bac. Je vous déclare <laughs> officiellement. J'étais très nulle en maths. <laughs> Voilà. Ça, ça veut que tu étais paresseuse, quoi. Au fait, c'était ça. ouais, c'est ça, c'est ça. J'étais paresseuse. Je me suis dit, bon, dans ma tête, je veux pas, je veux pas. Donc, du coup, euh, <laughs> finalement, j'ai pas pu. C'est ça. Vous savez, euh, comme, comme, vous avez bien dit, il y a le côté intérieur de cette émission. Nous, c'est des choses qui nous intéressent carrément parce que tu vois, dans nos, dans nos tubes, on parle que de, trucs positifs. Mm-hmm. Donc, tu vois, la musique, c'est de l'engagement à l'état pur. C'est euh, aussi, tu vois, quand on parle de hip-hop, c'est éveillé hypopée, c'est éveiller des consciences. Alors, quelqu'un qui doit réveiller quelqu'un ne, doit pas dormir en quelque sorte. Il y a des choses qu'il faut nécessairement, tu, il, faut, il te faut quelque chose, bagage intellectuel pour pouvoir parler aux gens. Mhm. Mhm. C'est des choses... que euh, les gens disaient auparavant que hypopée c'était des trucs, on se permettait de porter des baguilles, des trucs comme ça. Mais c'est plus ça. Ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête, ça se passe ici. C'est pas des choses violentes à la base peut-être ça se revendiquer comme ça parce que l'écriture musicale, ça, ça change peut-être un peu selon l'époque. Mhm. Parce qu'à un moment donné, les, les, rappeurs, quand aux États-Unis, dans le Bronx, ils utilisaient des termes violents pour revendiquer quelque chose. Mais it doesn't exist anymore. Mhm. Moment bini nek ni, est-ce qu'on peut parler en wolof pour que, pour que les gens puissent comprendre? Moment bini nek ni, c'est un moment où la société a besoin des, des, des, personnes, des rappeurs, mhm. bien des, artistes qui ont le bon sens, qui peuvent parler aux gens. donc c'est ça qu'il faut toll actuellement Bini tu quelque chose qui rime avec l'esclavage, peut être c'était ça mais quand nañ ci côté esclavage. Mhm. peut être pour moi actuellement c'est le fait d'éveiller les jeunes surtout les jeunes d'Afrique, mhm. de croire en eux même, de savoir que l'avenir, ça se trouve pas là-bas en Europe. Mhm. Nous, on a fait des voyages, fait, tout. Mais c'est décevant, moi, quand je vois des Africains avoir peur parce que Donald Trump a eu le pouvoir, parce que ça leur change pas. Mhm. Ou bien des Africains, des Sénégalais, se défouler, être content parce qu'il y a un Macron qui les arrange plus que l'autre, la Marie Le Pen. Ça veut dire que ces personnes ils ne sont pas encore prêts pour revenir, pour construire ici. Nous, on a des terres, on a des choses que eux ils n'ont pas. Mais si on laisse tout ça et pour aller là-bas, pour euh, les gens, ils, alors qu'avenir bi on a vu ce qui se passe là-bas par exemple en Italie nous marqué moi on voyait que les Italiens ils cultivaient beaucoup, beaucoup. Nous, on a des terres. Par exemple, tu sors ici, <coughs> Almadi, tu vois un gars qui se démerde en ben genre khalis, takaleko, takaleko, takaleko, ben 100 000, et qui essaie de, de, de, faire montrer aux filles que ouais, time on my whatever. Qu'est-ce Mon gars, tu viens d'où? Mon le saloum ou le ou whatever. Est-ce que vous avez des terres là-bas? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Il te dit rien. Pourquoi tu ne peux pas aller travailler là-bas? Il ne va jamais le faire. Mm. Parce que actuellement les mentalités sont rigides. Mhm. on n'a pas implanté ce qu'il faut comme Bra a l'habitude de dire il faut des antivirus pour les ñi ont il faut implanter les antivirus

cartonné ñu sétlo nek tamit ci ñaari euh, ci domaine yëpp ngeen mëna a yëngu bu féké né wax revendiquer et tout ça euh di ngeen ci yéen gi def ay single yo xam ne nekk c'est très important mais tamit bu côté comme my girl bi côté blow ka forêt mm-hmm. tamit c'est pour attirer ben nombre de cibles la euh, en fait, euh, d'abord, en fait, on, on, parle du fond et de mmh. la mm. forme. Donc, c'est très important aussi, quoi. Parce que, en fait, euh, de forme, sur le trop, moi, li, euh, Euh, ñun dafa am loo xamante ni su fekkee ni mateewuñu ko rek. Mhm. amuñu droit téye micro ci kanamu askan wala ci kanamu benn public. Euh, je crois que nit ci kanamu auditoire am su fekkee ni amul benn benn benn benn sensibilité bu mu mën a ab bu mu leen mën a apporter wala benn benn lenn lu mu parce que ñu ngi ci vingt et unième siècle te on on est très en retard quoi ñun dañu tardé de trop de trop de trop té bala ngay xam deugantane lolu lu am la mhm. yalla suturaal peut-être nga nga bouger nga bouger touti mhm. nga bouger touti nga ñëwaat Sénégal di nga xam ni bi gaay dañuy dañuy dox doxu xatar quoi donc du coup euh, d'après li nga expliqué noonu c'est c'est bien vrai réer bi ñu koy génnee lu tax li tax mu bokku ci premier son wàllu culture urbaine bu atteindre un million de vues sur YouTube mhm. euh, c'est parce que les Sénégal Sénégalais dañu identifié au ci son bi. Mhm. vous voyez ce que je veux dire. Mhm. dafa dañu identifié wu ci son bi ce qu'on a eu à vivre avec ce son. Mhm. mais c'est énorme delloo nañu fi ay nit jubóole leen ak seen ay papa ak seen yaay. dem nañu tugal fekk fa ay bërëb affaire yo xamante ni ñeneen ñi ñibbi ñëwaat Sénégal c'est grâce ak son boobu noonu te nëbbuñu ko parce que tok nañ ci télé bi wax ko. ñeneen ñi xam nañ leen bu baax ay ay borom tour lañ ñeneen ñi duñu ay borom tour mais dund dund nañ ci loo xamante ni bi honnêtement euh, après ñun bu ñu ñëwaatee toog di di di di di di dégluwaat euh, recommandation yooyu wala complément yooyu au fait dafa am fu mu ñuy toll quoi dinañ xam carrément que peut-être on a joué pleinement notre rôle ci benn côté quoi et c'est essentiel parce que aussi am na ñu bëri ñuy def musique bi ñuy def boo xamante bi ni peut-être amna benen option buñ ci am budul par exemple ñun bi koy niñu ñu ko niñu ñu ni ñu jàppee ne lañ koy défé mm. affaire yi metti wul li nga xamante ne bi moo am solo moom euh, ce que je disais à Fatima tout à l'heure parce que démb maa ngi leen di déglu ci benn émission muy ci si émission wu démb bi mu ngi comme quoi que euh, on parle pas trop de politique ni de religion parce que ku ci nekk nanga moo sàngam tu vois parce que là j'en ai déduit que ni voilà euh, c'est li ma ci déduit mooy kon kon li ñuy wax mooy humanisme la ñuy wax quoi Ça à dire point bi nga xamante ne lié ñëpp et c'est très important c'est très important souvent ñuy souligner yu mel noonu parce que ci na nit ku nekk ak foo mënta di nekk di gis sa bopp ci li nit ñi di wax. Mhm. quelle que soit sa appartenance. et c'est très important. Mhm. donc du ñuy souligner genre truc yu mel noonu c'est pour cela que man je suis fan de votre émission. Mhm. parce que c'est intello entre guillemets aussi day dina dina dina génne yenn aspect yu bari. donc pour pour pour pour ne pas être long. réer son la boo xamante ni bi euh, dund nañ ci lu bari gindi nañu bari. Euh, ndamawuñu ko yëkkate wuñu ci mbagg mm-hmm. parce que quoi qu'on puisse dire aussi am na aura boo xamante ne am na ko ci culture urbaine en tout cas ci Sénégal mm-hmm. ñi nekk ci monde bi xam nañ ko mm-hmm. mais euh, li ñu ci ëppal solo mooy nekkul un million de vues mais un million de conscience yooyu nga xamante ne bi nii éveillé na ko quoi donc c'est mooy aspect bi ëpp importance euh, ci ci ci ci chiffre boobu ñu ñuy wax tout le temps nu mu gën di bëri lu zero yi di gën di yokk ci ginnaaw conscience de gën multiplier ou te conscience bu nekk mën na conscientiser ñeneen quoi donc c'est très important te dañu toll ci époque boo xamante on en a besoin. merci euh, juste pour pour pour pour pour. dans les tout rek quoi. Mm-hmm. en fait rire c'était l'alerte hein? c'était l'alerte qu'on avait donné parce que à un moment donné dañu tolloon ci un moment bu nga xamante ni de dëkk bi yëpp dañu dañu dañu braquer won sen bop ci ci ci ci ci futilité quoi. moy mm-hmm. buzz festivités, fêtes, théâtre, musique. Et, et, je dis pas musique d'une manière générale, mais musique pour le sens, sauf quoi. Mhm. Comprendre avec danse et tout ça. Donc, euh, on avait oublié l'éducation, on avait oublié hier, on avait oublié dîner, on avait oublié études et sciences. Mhm. Donc, euh, à un moment donné, nous avons ben instant. Lolo nga xamanteni ni erreur yoy ñu ñu ñu ñu mo donc si aujourd'hui tey difficulté yi am dans la rue difficulté yi am ak manque de respect bi am ak manque d'éducation bi am di jur yenn musiba tay ci dëkk bi di jur yenn jëye yi tay, ñuy recadrer waat jeune bi jeunesse bi di recadrer waat di wax ni dañuy wara a un moment donné bu ñu tollee ci wax yaraat rek ça veut dire que day rejoindre Libra wax quoi on est trop en retard aujourd'hui daf ñu waroon fekk tay, jeunesse bi jang ba am xam-xam ñu naan par exemple nan la ñuy ubbee ay usine yu bees ou bien nan la ñuy recadrer waatee ou bien yan façon discipline la ñu war a implanter waat par rapport ak li ñu soxla foofu la ñu waroon a fekk. Mm-hmm. mais waruñu woon a fekk tey ñuy wax yaraat. Mm-hmm. on est désolé mais mais mais mais c'est quelque chose boo xamante ne nii tey boo toogee di déglu débat yi am ci rajo yi da ngay tiit. est-ce que wóor na sax dëkk bi est-ce que am na avenir est-ce que mm-hmm. say doom par exemple nga bàyyi leen tey ñu ñu ñu war a màggee Sénégal est-ce que c'est sûr parce que tu as l'impression que ni sax panique dafa am parce que ñepp a tiit ñëpp ne tiit xamul actuellement solution bi lan la wara parce que tu duggé ci politique bi da ngay gis ñu nga xamante ni ñi la wara demain si tu les entends parler tu sais que ni par exemple su me référé wo ci ñom demain sama donne worul mm-hmm. ok mm-hmm. avec l'éducation on est désolé je suis un professeur mais bon si on voit ce qui se passe avec les fuites et les, tricheries au niveau de l'éducation, donc je suis désolé, mais c'est la honte. C'est la honte, c'est quelque chose qui a bafoué l'image de tout le corps professoral du Sénégal et, dans le monde entier. Donc c'est quelque chose que, l'histoire retiendra et que ça salit, par exemple, donc euh, tout le métier noble de, de, de, de, donner de savoir qui est l'enseignement. Le, l'enseignement quoi. donc c'est vraiment quelque chose à déplorer. Donc on est désolé, on est des jeunes. Donc on veut voir notre avenir un peu clair. Donc mhm. on veut que demain, si par exemple nos enfants nous posent des questions, qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays Donc on, a quelque chose pour leur répondre. quoi. Mais papa, là, nous avons fait ce souvent, nous Donc on est désolé, mais ken bugg ko quoi ken bugg ko te pour ñu recc ci ci ci touma yoyu pour ñu dello wat yi ci ci ci loxo yu bax aussi il faut que ku nek xolat sa bop il faut que ku nek xamné aussi dafa am lo wara a liggéey dafa am lo wara def pour dëkk bi am am am am am avancement quoi merci beaucoup euh,